le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du le forum du le forum du le forum du le forum du le forum 18h passé de 15 minutes à Niamey. Madame, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce nouveau numéro du Forum du Studio Kalangou présenté par Mokhtar Hamadou. Chers auditeurs, aujourd'hui, vendredi 22 juin 2018, le forum est consacré au décryptage de l'actualité marquée par la célébration mercredi 20 juin de la journée mondiale des réfugiés. À cette occasion, l'organisation Reporters sans frontières a dénoncé les obstacles délibérément mis en place, selon elle, par les États pour entraver la couverture médiatique dans les centres d'accueil des migrants. Les habitants de Niamey confrontés à une pénurie d'eau potable, une situation préoccupante dans plusieurs quartiers de la capitale. À cet effet, la Société des patrimoines des eaux du Niger Spen et la Société d'exploitation des eaux du Niger Sen e ont, dans un point de presse animé lundi, expliqué les raisons et les dispositions prises pour y remédier. Au, plan politique, le Front démocratique et républicain FDR a, dans une déclaration rendue publique euh, mercredi, dénoncé une euh, initiative, euh, cette, cette initiative d'audience foraine en cours au Niger dans le cadre des préparatifs des élections de 2021. Le front accuse même la dernière mission de l'Organisation internationale de la francophonie de complicité avec le pouvoir nigérien. Enfin, nous parlerons de la Coupe du Monde Russie 2018 sur les cinq équipes africaines aux phases finales de la Coupe du Monde. Seuls le Sénégal et le Nigeria ont pu décrocher leur victoire, leur première victoire. Les Lions de la Teranga ont, euh, ont battu les Polonais par deux buts à un en présence du président sénégalais Macky Sall. Ce soir même, le Nigeria vient lui aussi euh, de battre l'Islande par deux buts à zéro. Pour euh, développer euh, ces thèmes, nous avons comme invité Abachari Arimi de la radio alternative. Abachari Arimi, bonsoir. Bonsoir. Garé Amadou du quotidien La Nation. Garé Amadou, bonsoir. Bonsoir. Et Issa Madougou, journaliste à la radio et télévision Ténéré. Issa Madougou, bonsoir. Bonsoir. À l'occasion de la Journée mondiale des réfugiés euh, célébrée mercredi 20 juin 2018, l'organisation Reporters sans frontières a dénoncé les obstacles délibérément mis en place, selon elle, par les États pour entraver la couverture médiatique dans les centres d'accueil des migrants. Dans un rapport, RSF a fait le point sur les difficultés que rencontrent les journalistes dans les pays concernés d'Afrique et d'Europe dans leur travail. Abachari Arimi de la radio alternative. Au Niger, tout comme ailleurs, les journalistes ont des sérieuses difficultés pour accéder à la bonne information, notamment sur les migrants et les réfugiés. Comment expliquer, comment euh, l'expliquer, comment expliquer cet état de fait, Abachari Oui, euh, merci. Euh, ça ne date pas d'aujourd'hui, de tout temps surtout quand il s'agit des médias euh, comme les nôtres, des médias du Sud, l'accès euh, à l'information relative euh, aux migrants, à la migration, et l'accès particulièrement au centre où sont internés les migrants a été toujours un problème. Je connais des ONG, c'est peut-être pas l'occasion de les citer, mais qui sont hermétiques à ça quelle que soit votre procédure, vous n'aurez pas une interview euh, de ces ONG et organisations internationales, euh, alors même que la transparence dans la gestion, euh, si tel est que on veut une information, un dialogue, je dirais, au sujet de cette question si sensible de la migration, ce serait de parler aux médias. Euh, malheureusement, ça constitue aussi une obstruction à notre travail. Je sais euh, cela, je l'ai vécu pour avoir réalisé plusieurs films. Euh, j'ai effectué dès 2013 un déplacement à Agadez et je vous assure que c'est extrêmement difficile de décrocher ne serait-ce qu'une simple interview au, niveau de ces organisations qui ont pourtant des informations ah, bah, à, revendre. Vous avez cherché à savoir pourquoi et, euh, Écoute, c'est des agents qu'on rencontre souvent à ce sujet et ils disent qu'ils ont instruction de ne pas parler. Par qui euh, Leur responsable. Alors, euh, et le responsable, vous avez beau attendre, toute la journée, vous n'aurez pas, en tant que journaliste, accès à eux. Alors qu'ils font de l'écoute, euh, ils disent que c'est secret, les écoutes, que c'est la vie privée des migrants. Les migrants eux-mêmes en parlent. Eux, en tant qu'organisation, normalement, euh, ils doivent faire cas des violations, faire cas de ce qu'ils savent de positif, et ça permet normalement d'évoluer dans le cadre de la gestion de ces flux-là. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Je l'ai vécu à Agadez. Euh, oui, il faut, il faut déplorer ça. Nous, c'est notre travail euh, de faire l'intermédiaire entre le grand public et euh, eux. Malheureusement, s'ils refusent de s'adresser, mais notre grande surprise, souvent, il nous arrive, même dans les médias, de voir des médias qui ont eu accès à des informations euh, euh, issues de ces, de, de, organisations internationales, donc qui choisissent à qui dire. Hein, et qui commandent, euh, médias internationaux. Oui, oui, absolument, absolument. Et particulièrement au niveau de la police aussi, ils sont hermétiques à, cette question. Hein. Ce n'est pas au Niger seulement, au Mali, j'ai déjà été confronté à ça. D'ailleurs, c'était le premier cas où un commissaire de police euh, m'a instruit de ne pas filmer. Et il peut s'entretenir avec nous, mais attention, même pas une seconde de ce qu'il va dire dans ma caméra. Donc, euh, c'est déplorable. Euh, on ne veut pas vraiment quand un journaliste veut faire mal, il ne vient pas vers toi. Il cherche ceux qui te connaissent, il, cherche autour de toi pour euh, faire mal. il est déjà dit en matière de journalisme que quelqu'un qui vient vers toi, vraiment, euh, c'est qu'il veut avoir de l'information de toi pour au moins équilibrer ce qu'il doit dire. Donc, euh, moi, je lance un appel à toutes ces organisations d'assouplir, notamment avec les médias nationaux et c'est dans l'intérêt de tout le monde. Gary, Amadou du journal La Nation, le Niger est non seulement un pays de départ et de transit de migrants, il est aussi un pays d'accueil des réfugiés. Euh, comment expliquer euh, ces difficultés d'accès des journalistes aux, informations à la source bon, bah, Probablement que ça veut dire que si on suit vraiment la logique des événements, on a l'impression que ces ONG veulent cacher des choses. C'est-à-dire que ce qu'on nous raconte à travers les médias, c'est peut-être pas la réalité que le journaliste reporter qui va sur le terrain va rencontrer et on a des réticences à lui permettre l'accès aux réfugiés ou à lui donner certaines informations. Ça veut dire que peut-être que la réalité ne correspond pas à ce que ce qui est divulgué chaque, jour. Mais pour quel intérêt Je ne sais pas, parce que ces ONG reçoivent des financements ah oui, de, de, leur, de bailleur. Donc, et, c'est le, les résultats qui font que chaque année, on leur, une nouvelle enveloppe ou on augmente l'enveloppe. Donc, ils ont intérêt à montrer Donc, que... certains ne veulent même pas ce que euh, euh, cette migration cesse. Mais, mais écoutez, mais c'est, je vais être cruel, mais <laughs> aujourd'hui, je prends un exemple. Si le sida disparaît, c'est beaucoup de <laughs> d'ONG qui vont mourir. C'est cruel, mais il faut le dire. Donc, il y, a il y a des ONG qui vivent du malheur. C'est triste à dire, mais, mais c'est ça, la vie est ainsi faite. C'est-à-dire que quand il n'y a pas le malheur, elle n'existe pas. Quand il n'y a pas de sécheresse, ils ne sont pas là. Quand il n'y a pas des inondations, des catastrophes, ils ne sont pas là. Donc, leur intérêt, c'est que ces catastrophes perdurent. Parce que je vous dis, ils reçoivent des gens, de l'argent de leurs bailleurs. Et donc, pourquoi, pourquoi alors cacher des informations Pourquoi faire en sorte que quand un journaliste vient, il a des difficultés. Tout, à l'heure, euh, vous disait qu'ils font de la euh, ségrégation entre même les journalistes. Non, mais parce que moi, j'ai suivi plusieurs formations euh, euh, concernant la lutte contre la migration, notamment une formation au niveau de l'alternative, et, et, donc, et plusieurs formations à l'extérieur du pays. Et j'ai rencontré des journalistes extérieurs qui venaient ici au Niger et qui avaient quelqu'un qui parlait anglais, et donc je causais avec eux. J'ai comme l'impression que les journalistes qui viennent de l'extérieur pour être euh, euh, euh, un peu terre à terre. Les journalistes blancs, excusez-moi de l'expression, c'est pas pour c'est pas, c'est plus facile pour eux d'avoir accès à ces ONG que nous. Par exemple, ah non, non, mais c'est clair, moi, moi, je vais vous dire qu'aujourd'hui, si je décide que je veux partir au niveau de certaines structures, je ne vais pas les citer pour avoir des informations, je vais avoir tous les problèmes du monde. Mais il suffit que quelqu'un qui vient de Reuters ou de BBC de l'extérieur, qui vient avec toute sa panoplie, là, on va lui faciliter les choses. Mais alors, le but, c'est quoi j'ai l'impression qu'on ne veut pas que la vraie information puisse sortir. Parce que les migrants se plaignent. Les autorités se plaignent aussi, les autorités, régionales. non, ce n'est même pas les autorités régionales. Vous savez, on dit que non, pour empêcher la migration, on a, on a, on a mis en œuvre une loi de 2015. Et la loi de 2015 criminalise la lutte contre la migration. Et à lieu et place, puisqu'on a mis beaucoup de jeunes au chômage, on a essayé de, de mettre des fonds pour soi-disant soutenir les jeunes. Mais ces fonds-là n'arrivent pas, ne parviennent pas à ces gens là Et voilà un problème. Peut-être qu'on ne veut pas qu'on découvre qu'il y a une supercherie dans cette affaire-là. Pour moi. Issa Madougou, Filippo Grandi, le patron du HCR, a choisi de célébrer cette journée au Niger lors de sa conférence de presse mercredi à Niamey. Filippo s'est inquiété euh, des départs trop lents des réfugiés vers les pays d'Europe euh, qui ont montré la volonté d'accorder l'asile. Le haut commissaire a illustré pour euh, déclarer qu'en six mois, seules 200 personnes sont, sont parties du Niger alors que 1200 autres viennent à peine d'arriver euh, de Libye. Euh, quel commentaire vous inspire euh, ces mots de Filippo Grandi c'est juste de la poudre aux yeux que ce monsieur est venu faire son scénario, son théâtre à marché. Il est venu juste contrôler ce qui se passe par rapport à leur prébande parce qu'il faut. Je, moi, aussi je vais être cruel, comme <laughs> l'a dit Garé, le Niger est devenu un Eldorado pour ces organisations. Depuis que la migration occupe aujourd'hui eh, l'actualité internationale, parce que vous n'êtes pas sans le savoir qu'il y a des moyens conséquents, énormes, qui sont mis dans la lutte contre la migration. Et quand vous voyez aujourd'hui, c'est la donation par pays européen et la coloration et l'origine de ces ONG, c'est que vous comprendrez qu'il y a une mafia qui s'est installée parce que c'est plus le profit pas pour endiguer le problème. Euh, il y a une chaîne de, ONG italiennes qui sont là, qui ont tous bénéficié des ONG qui n'ont même pas dans leur cahier de charge la prise en charge des questions migratoires aujourd'hui, qui traitent parce que l'Italie donne plus de l'argent. Il y a des ONG qui sont spécialisées dans d'autres domaines aujourd'hui qui sont parce qu'il y a des Italiens. Les Italiens en donnent plus. Il y a d'autres parce que tout simplement. c'est des fonds de l'Union européenne. C'est de l'Union européenne. L'Italie fait partie de l'Union européenne. Mais tout le monde sait comment ça se passe dans l'Union européenne. C'est pas parce que nous ne vivons pas dans l'Union européenne que nous ne savons pas. De la même manière qu'ils savent comment ça fonctionne l'Union africaine, nous aussi, on a les vraies informations de comment ça se passe là-bas. Comme. Par exemple, le, tas de migrants qu'on accueille de plus en plus. Voyez-vous, on a des migrants qui ne méritent même pas d'être accueillis dans notre pays. Lui-même, le haut commissaire, il a reconnu. Le nombre de Soudanais qui sont venus, est-ce qu'ils ont besoin d'être euh, euh, accueillis comme des réfugiés. On doit normalement les refouler. Par rapport à l'accès de l'information dont on parlait, donc on, se cœur, on est tous frustrés par rapport à cette attitude. Mais comment ça se passe C'est parce que la porte l'air est grandement ouverte. Il y a une loi aujourd'hui au Niger qui n'est pas vulgarisée, l'accès à l'information. Si l'État même ne fait pas la promotion de cette loi. Mais ces gens-là qui ont toujours entretenu et, eu un flou artistique autour de leur activité, mais c'est la porte ouverte pour eux de faire de ce qu'ils veulent dans notre pays. Quand vous voyez aujourd'hui, toutes les ONG aujourd'hui concours sont en train de faire en sorte qu'ils se retrouvent dans notre pays parce qu'il y a une manne. Il faut aller à la quête de cette euh, manne pour pouvoir engranger des sous supplémentaires. Il faut que ça s'arrête parce que si nous ne levons pas, aujourd'hui. C'est-à-dire cette discrimination qu'on fait subir aux nationaux, on est obligé de le dire, aux nationaux parce que l'information prioritaire aujourd'hui, il y a beaucoup de choses que les Nigériens ont besoin de savoir par rapport à cette question migratoire. Le refoulement de tous ces migrants qu'on envoie au Niger, les Nigériens ont besoin de savoir. Les centres là, qu'est-ce qu'ils font Aujourd'hui, quand vous voyez Niamey qui est inondé par un tas de migrants venus de l'Afrique australe, quand on connaît les conditions de leur vie, quand on sait leur engagement à ne plus retourner dans leur pays, c'est des gens qui peuvent être instrumentalisés, qui menacent même notre sécurité. Alors il faut que ces ONG ouvrent grandement la porte on nous parle de procédures. Parfois, vous envoyez des lettres, on, ne daigne même pas à vous répondre. Quelle procédure Aujourd'hui, je peux vous dire, j'ai à mon propre compte que je comptais, les reportages que j'ai vus entre mars et aujourd'hui, il y a plus de 10 équipes européennes sur des chaînes allemandes, des chaînes italiennes, françaises, hollandaises qui sont là dans notre pays, à qui on ouvre grandement. Et ce qui est désolant, c'est que, regarde, au niveau même de la police nationale, qui ouvre ses portes à ces gens-là, mais nous, on nous refuse même une interview. Non, mais écoutez, quoi, soyons sérieux. Respectons-nous d'abord avant si on voulait que les autres nous respectent. les habitants de Niamey sont confrontés à une pénurie d'eau potable, une situation préoccupante dans plusieurs quartiers de la capitale. À cet effet, la Société des patrimoines des eaux du Niger Spen et la Société d'exploitation des eaux du Niger Seine ont expliqué les raisons et les dispositions prises pour y remédier. C'était lundi dernier à l'usine de traitement d'eau de goudel. Euh, Sadikou Mohamedou est le directeur du patrimoine et du contrôle des exploitations de la au micro de Gungu Dantani. La qualité de l'eau, suite à l'arrivée des premières pluies, a brusquement changé avec 5000 NTU, une unité compacte qui a une capacité de 15 000 m3 jour et à l'arrêt depuis le euh, 2 juin parce qu'elle ne peut pas supporter les 5000 NTU. Elle a une capacité à l'entrée de 250. Non seulement cette unité-là n'est plus euh, fonctionnelle, mais les autres grandes filets de traitement ne peuvent pas fonctionner en plein régime. Nous sommes contraints avec la boue qui arrive de faire des entretiens très fréquents et de mobiliser tous les techniciens de la SPEN et de la SEN qui sont aujourd'hui à peu e d'œuvre pour assurer la provisionnement en eau de la ville de Niamey. L'eau est très turbide. Il faut à un certain moment nettoyer, curer les bassins pour arriver à avoir un bon traitement. Nous avons fini le curage de deux bassins. Nous pensons que, Inch'Allah, nous allons pouvoir résorber le déficit. Que le jour à venir, la situation va redevenir comme elle était avant. Je demande donc à tous les usagers de modérer euh, leur consommation, de consommer que pour les besoins vitaux. Issa Madougou, Comment comprendre des coupures d'eau dans une capitale comme Niamey en ce XXIe siècle euh, Mokhtar, il faut être réaliste. Hein. Vous savez, depuis des années, nous avons fait. Une, moi, je pense que c'est un échec collectif. Nous avons fait une mauvaise planification. Euh, on n'avait que notre source au niveau de Niamey, au niveau du fleuve. Il fallait penser. Et depuis des années, vous savez, au Niger, il y a des études qui ont été menées depuis des années. on n'a pas pris compte de ces données. Aujourd'hui, quand vous prenez la carte euh, hydrologique de, Niamey, il y a plusieurs sources qui sont installées un peu partout. Et depuis des années, il n'y avait pas eu des investissements pour faire le captage des eaux à ce niveau. On s'est toujours basé sur, le fleuve sans tenir compte des changements climatiques on, se rappelle dans l'histoire que le Sahara était vert, mais ça s'est achiché durant des années. Mais le fleuve aussi, si nous ne plaisons pas, parce que le fleuve aujourd'hui, la situation actuelle découle de la mauvaise planification et de l'harmonisation des différents programmes au niveau des pays. Parce qu'on on laisse à, tous les pays de construire euh, des barrages comme ils le veulent, et c'est bien normal que le fleuve se retrouve dans cette... Déjà, le fleuve, est malade. Le fleuve est malade à cause des changements climatiques. C'est une ressource commune. Mais c'est une ressource commune, c'est qui ne joue pas réellement. On sent de la pagaille. On laisse à tout... Regarde comment au Mali, on a tout bouché au niveau des affluents du fleuve. Trois barrages. On a tout bouché au niveau des affluents qui amènent même si euh, euh, on, sait que euh, en Guinée ça va quand même, mais eux aussi ils sont fautifs. Et compte tenu de, des changements climatiques aujourd'hui dont nous subissons, nous ne nous participons pas au changement climatique, mais nous subissons les conséquences. Donc c'est bien normal. Moi, je pense qu'il faut être, il faut faire preuve de patience. C'est vrai, c'est difficile, mais quand même, par rapport à d'autres sociétés qui fournissent, euh, qui fournissent des services, quand même la SPEN et la Seine ont quand même ravi la vedette parce qu'au moins, ils ont eu le courage de communiquer avec les gens pour expliquer là où se trouve le problème et comment ils sont en train de, s'y prendre pour indiquer cela. Parce qu'ils se sont mis dans la peau des populations et ils comprennent les souffrances des populations. Moi, je pense que c'est un pas, mais quand même, néanmoins, dans les années à venir, il faut penser à des investissements pour trouver d'autres sources d'eau pour approvisionner la ville. Parce que d'ici quelques années, nous savons que la population de Niamey va doubler voire même triplé. Donc il faut prendre euh, les dispositions plus à pour y pallier à cela. Garé Amadou, cette pénurie d'eau potable à Niamey fait partie des conséquences de l'étillage sévère euh, du fleuve Niger. Issa Madougou vient de le dire. Euh, n'est-il pas temps de prospecter d'autres sources pour mieux approvisionner la capitale en eau potable, euh, des forages par exemple Oui, et selon les, techniciens de la SPEN, parce que j'étais de cette, de cette mission, en tout cas de cette visite de terrain et de ce point de presse là, j'y étais, selon les explications que les techniciens de la nous ont données, effectivement, des études ont été faites et il y a effectivement euh, un espoir pour qu'on puisse avoir d'autres sources d'approvisionnement en eau en dehors du fleuve. En réalité, les coupures qui sont intervenues à, la, périphérie, de la ville de Niamey, déjà, il y a certains euh, euh, propriétaires des maisons qui ont commencé à faire des forages. Oui, à Ça, je, ne vous parle pas de, je vous parle, ça c'est des, je parle euh, de, de, ce que la société de patrimoine des eaux du Niger compte faire pour faire en sorte que, au cas même où le fleuve arrivait à disparaître, qu'on ait des sources d'approvisionnement à nous. Pour ce qui est des problèmes qui, qui, est intervenu ces, dernières semaines-là, c'était un problème qui était plus dû au fait que les premières pluies qui sont tombées ont fait en sorte que l'eau qui venait au niveau des, des stations de Goudel et de trucs là était des eaux boueuses et que ces eaux boueuses-là étaient tellement en grande quantité qu'il fallait faire un travail de titan pour pouvoir enlever la boue, retraiter cette eau-là, la faire passer par plusieurs canaux avant de venir au niveau du laboratoire pour la contrôler et la mettre à disposition de la population. Soit dit en passant, selon ce que les experts nous ont dit, l'eau du Niger est l'une des meilleures d'Afrique en termes de qualité. Oui, c'est ce que les historiens ont dit. Au niveau de tous les forums internationaux qui sont déroulés, on, dit que l'eau du Niger est l'une des meilleures, qui est à 99%. pourtant, les, les, abonnés de la scène s'en plaignent. Non, ils se plaignent. En réalité, voyez ce qui se passe. Par exemple, moi j'ai posé la question, j'ai dit, mais, comment se fait-il que euh, l'eau qui est traitée est claire, mais parfois quand on ouvre les robinets, on voit parfois des, des, des, des eaux rouges. Ils disent que non, ça c'est pas l'eau qui sort de la semaine, c'est plutôt les conduits qui amènent de l'eau. Hmm. C'est ceux qui est voilà. Euh, Mais le problème qui est intervenu ces derniers jours, je vous assure, les explications qu'on nous a données, les travailleurs de la SPEN n'ont pas dormi. Ils ont passé tout le temps en train de faire en sorte que on nous a montré tout le processus d'enlèvement de la boue pour permettre à ceux qui ont de l'eau qui peut être et, qui sera traitée et qui est bien à la de la population. C'est un travail vraiment, je vous assure, que des hommes et des femmes et, déploient pour pouvoir faire en sorte que la, la, la c'est vrai, il y a eu une baisse de la, de la quantité d'eau, mais ils nous ont assuré que ces derniers jours, en tout cas ces derniers 48 heures-là, la situation est en train d'être attirée. Et je crois que les gens sont en train de constater ça au niveau de leur robinet. Abachari Arimi, euh, pensez-vous euh, euh, que les pluies attendues pourraient être la solution et sur combien de temps Écoutez, la pluie, on, connaît à peu près la durée de vie de, de, la période de crue du fleuve. C'est à pareil moment il y, a toujours une baisse drastique et de moins en moins d'eau euh, dans le fleuve. Ça, au, moins, c'est très clair depuis quelques années. Cette année, c'est plus euh, grave, c'est plus drastique que euh, à certains endroits, on m'a dit que les gens traversent pratiquement le fleuve en moto. ça, ce n'est pas un problème, je crois, ponctuel malheureusement, ni la scène, ni les autorités, et ni même la population ne prend la mesure de la chose. La population est très mal euh, sensibilisée. D'abord, c'est dans la cour, euh, euh, le cours normal, je dirais, des choses que le fleuve peut-être même s'arrête de couler. N'est-ce pas Si c'est le cas, ce qu'il faut dire à la population. Et qu'est-ce qu'il faut faire Une ville comme le Niger, euh, comme, comme Niamey, même si euh, c'est comme ce qui a été le Nil pour euh, l'Égypte ancienne, c'est que le fleuve est pour Niamey, n'est-ce pas Le Niamey, c'est le fleuve. Donc, mais on est des êtres humains. On doit pouvoir vivre même sans le fleuve. D'abord, on doit tout faire pour que le fleuve continue à couler. Faire des études de euh, programmation, études comment, de comment curer, comment faire des choses. L'histoire de Batardo du temps du président Ali Sheibou, tout ça, c'est sur le temps qu'il faut faire. Sensibiliser la population. Parce que il y a quelque chose d'extrêmement important, mais que nous perdons de vue, c'est le gaspillage de l'eau il y a des personnes, même des intellectuels, qui ne se rendent pas compte que cette liquide-là, c'est une darée précieuse. N'est-ce pas Oui, tu peux laver ta voiture, mais tu ne peux pas laisser la pompe couler parce que c'est pas c'est avant ton, compteur pendant des heures et des heures, des mois et des mois parce que c'est pas toi. qui Vous voyez Donc ça, c'est une sensibilisation à faire. Oh, là, Madougou vient de soulever que la peine et la scène communiquent, mais ce n'est pas suffisant. C'est à longueur d'années qu'il faut faire. Et c'est toute une stratégie de communication qu'il faut avoir à la matière. C'est comme l'électricité, hein. nous gaspillons énormément. Même chez nous, la chambre, l'électricité peut être allumée pendant des heures et des heures toute la journée en oubliant que la coupure est dû au fait que la Nigélec n'arrive pas à satisfaire nos besoins. Si nous pouvons nous-mêmes, au niveau de chaque famille, au niveau de chaque concession, maîtriser notre consommation d'eau, d'électricité, oui, on contribuera à quelque chose. Mais aussi, de la question du réchauffement climatique et tout, ça doit être dans notre comportement. Qui doit faire ça C'est de l'argent que la la SPEN et tous ceux qui sont concernés doivent pouvoir mettre pour sensibiliser cette population-là l'a conscientiser autre sujet de l'actualité, euh, c'est cette déclaration rendue publique euh, mercredi à Niamey par le Front démocratique républicain FDR qui dénonce cette initiative d'audience foraine en cours au Niger dans le cadre des préparatifs des élections de 2021. Le Front accuse également la dernière mission de l'Organisation internationale de la francophonie de complicité avec euh, le pouvoir nigérien. Gare Amadou, l'inquiétude des militants du Front démocratique démocratique et républicain est-elle fondée Pas du tout, pas du tout. <laughs> Ça, pas du tout, Mokhtar, parce que j'ai suivi la déclaration et je l'ai lu dans la large. Et moi, j'ai été étonné des propos euh, tenus par le FDR sur deux points. D'abord, concernant les audiences foraines. On se rappelle que les élections euh, de, 2016, la principale critique qu'on avait, qu'on avait faite, c'est qu'il y avait eu le vote par témoignage. Et toute la classe politique était d'accord que le vote par témoignage, on doit tendre vers la fin de ce vote par témoignage-là. Alors, la mission de, de, l'OIF qui avait été menée en 2015, vers fin 2015, en novembre 2015, par le général Siaka Sangare, avait noté que sur la liste électorale du Niger, seuls 7% ont une pièce d'état civil. 7%. Donc, ça veut dire qu'il faut changer les choses et tout le monde est d'accord. Et comment faire Mais, est-ce que c'est à la CENI d'organiser les, les non, audiences foraines Écoutez-moi très bien. Vous savez très bien que maintenant, pour la délivrance d'une fête d'état civil, en temps normal, ça prend beaucoup de temps. Alors, comme la CENI est chargée de l'organisation des élections, c'est pas la CENI qui délivre les pères d'état civil. Non, c'est les préfets et les maires. Mais c'est la, la, CENI qui, qui, non, elle est là, de, de, non, non, non, non, non, non, non, La CENI est là pour en tout cas faire en sorte que les choses puissent s'accélérer, pour que ça puisse être délivré, parce que il y a les chances de 2020 qui s'approche. Ce n'est pas la CENI qui signe sur les pères d'état civil, non. C'est les maires et les préfets qui sont là, qui assistent. C'est vrai, il y a les représentants de la CENI, mais comme c'est dans un cadre électoral qu'on entend en de faire, il faut que la CENI soit là pour porter ce regard. Parce que quoi qu'on en dise, il ne faut pas qu'après, qu'on dise que non, non, non, la CENI n'a même pas euh, euh, jeté un regard sur ça et on a fait ce qu'on veut. Non, la CENI est là pour faire en sorte que les choses puissent. Et sur le deuxième point, on dit non, euh, la mission de l'EIF est partisane, elle est en faveur du pouvoir. alors qu'on se rappelle que le pouvoir ne voulait même pas que les personnalités étrangères s'impliquent dans le processus nigérien, on pensait qu'on pouvait régler ça. À force d'insistance, mais pas ça attendez, attendez, attendez. À force d'insistance de l'opposition, le pouvoir a dit bon, quand cela ne tient, il n'y a pas de problème, on accepte. Et Robert Rousseau, avant de venir, a envoyé des lettres à toutes les structures, même au FEDER. Le FEDER, d'accord, viens. Donc, il est venu, il a commencé les tractations, il appelle un tel, il appelle un tel. Brusquement, on sort, on dit non, Robert Rousseau avec le pouvoir, et on commence à l'insulter à travers les médias qui sont proches de l'opposition. On commence à l'insulter, on commence à l'attaquer. Ce qui fait que le FDR reconnaît que, aujourd'hui, le FDR est à la base de l'échec de la mission de Robert Dessous. Parce que on a vu que le nouveau front même qui a été créé par l'Ibrahim Yacouba a été beaucoup apprécié. Seul le FDR, aujourd'hui, fait des yeux rouges par rapport à la mission. De... Alors on se demande, qu'est-ce qu'ils veulent Selon certaines informations, maintenant, c'est que le FDR veut encore c'est des tractations sous l'égide de l'USAID, du NDI, n'est-ce pas, etc., euh, etc. Ça encore, on attend parce que même quand ils vont faire ça, après, on va dire que oh oui, le Indien, le S. Parce qu'on commence à dire que l'étranger est en faveur des autorités de la On ne sait vraiment pas ce que l'opposition veut. En tout cas, l'opposition qui est regroupée au sein du FDR. Voilà. Abachari Arimi, certains Nigériens ont du mal à comprendre l'organisation des audiences foraines, je l'ai rappelé, euh, par la CENI pour établir des pièces à des millions de personnes. Faut-il vraiment s'inquiéter euh, Moi, ce qu'on lit aux élections, c'est ça qui me gêne. Euh, les pièces d'état civil, c'est un droit pour chaque citoyen et particulièrement ça fait partie des dix droits fondamentaux de l'enfant. Euh, c'est inconcevable qu'au XXIe siècle, que un citoyen naisse et grandisse sans avoir des pièces d'état civil. N'est-ce pas euh, Dans un pays où euh, notre camarade, ami et frère Baba Alpha a été victime justement pour ce genre de pays. Or, on dit, c'est le chiffre que Garé vient de nous donner, les élections passées, seules 7%. Mais c'est une catastrophe. On est à la limite vraiment euh, au Moyen Âge ou je ne sais à quelle période. Ça, c'est inconcevable. Et évidemment, l'opposition peut s'inquiéter euh, si le lien est fait entre les élections et ces audiences foraines. Non, les audiences foraines, je crois que dans un pays euh, comme le Niger, ça doit avoir chaque année des moments où on fait le parcours du territoire national dans son ensemble pour pouvoir délivrer ces pièces. Jusqu'au jour où nous allons être à mesure de donner à chaque enfant qui naît une pièce d'état civil. Sinon, euh, c'est une question de droit. Moi, ça me gêne de dire d'arrêter de donner aux gens des pièces d'état civil. C'est extrêmement important dans le monde euh, d'aujourd'hui. C'est une question de droit, c'est l'identité. Aujourd'hui, même des animaux ont des identités. Quand tu vas dans une, euh, dans une écurie qui se respecte, les chevaux ont leur pièces d'état civil. On sait de quelle mère et de quel père ils sont issus. Et on sait, donc, euh, alors, c'est des êtres humains, on ne peut pas continuer à ne pas leur faire ça. Mal, mais le lien, l'implication de la CENI, le lien avec les élections de 2021, moi vraiment ça me gêne et il faut laisser se faire les choses normalement. Comme ça, si on doit faire des élections pour, pouvoir délivrer, euh, comment on appelle, un recensement pour délivrer les cartes, ça c'est tout autre chose. Vraiment, faisons la part des choses. Peut-être qu'il faut donner des instructions aux autorités locales, aux préfets, aux maires, pour qu'ils fassent leur travail. Ça, c'est leur travail vraiment qui doit être fait au quotidien. Et après, on fait des recensements pour donner la carte à celui qui en a. Issa Comment faire pour restaurer la confiance entre les Nigériens sur ces questions d'élection Seul le dialogue. Le dialogue est la voie la toute tracée. Mais comme les gens refusent le dialogue, je ne pense pas par quel moyen, par quel miracle les gens peuvent avoir, euh, peuvent parvenir à regarder dans la même direction. Euh, mais je pense que euh, avec ces audiences souveraines, c'est qu'il y a une mauvaise communication aussi de la part de de la CENI qui devrait insister sur le fait que ces décisions n'ont rien à voir avec euh, euh, euh, le fichier C'est donc ces deux opérations distinctes qui n'ont pas. Donc ça ne veut pas dire que si vous êtes, on vous délivre les pièces d'état civil que vous êtes automatiquement inscrit sur la. C'est-à-dire c'est cette communication. Parce qu'au Niger, il faut bien communiquer pour ne pas créer l'amalgame. Parce qu'il y a des Nigériens aujourd'hui qui sont spécialistes de l'amalgame la petite communication qu'on fait, que tout le monde peut comprendre, on peut prendre ça autrement. Moi, je pense que c'est la L'inquiétude de certains Nigériens, c'est de pouvoir enrôler euh, certains, qui, certains non. nationaux. Non, mais euh, attendez, écoutez. Certains étrangers. Quand on n'a pas de preuves, il faut arrêter de faire vraiment des choses, de, de, raconter des histoires. Moi, je pense que quand on doit se prononcer, il faut se prononcer sur la base des preuves. Moi, je ne peux pas me dire que là où je suis, je ne veux pas vous dire que non, il y a des non-nigériens qui seront euh, euh, inscrits sur, euh, avec des pièces d'état civil nigérien. Je ne le sais pas et je n'ai pas été témoin, je ne peux pas me prononcer là-dessus. Mais tout celui qui peut m'amener des preuves, là, je peux vérifiable, là, je suis d'accord. Mais écoutez, de toutes les façons, c'est que c'est le lien avec les élections. Il faut dire que les pièces d'état civil, tout Nigérien a droit à ces droits parce que les 7%, c'est même une honte pour le Niger. Pour, lui, pour, toi, pour toi, il faut communiquer. Il la CENI doit communiquer. La CENI doit communiquer explicitement. Et puis, d'ailleurs, c'est quoi Moi, je pense qu'il y a déjà, si je me rappelle, si j'ai bonne mémoire, une initiative d'opération où il fallait eh, faire des pièces des audiences foraines qui devraient être financées par eh, l'UNICEF via par et le service de l'état civil. Je ne sais pas ce qui s'est passé par après où il y a des euh, l'UNICEF a promis de mettre de l'argent pour faire en sorte que les Nigériens puissent avoir parce que le problème de pièces d'état civil, c'est parce que nous vivons dans une même ici à Niamey dans les quartiers périphériques, vous allez voir des gens qui dépassent l'âge majeur qui n'ont pas de pièces d'état civil. Donc c'est des néants quoi dans la société et il faut éviter cela, surtout qu'aujourd'hui nous pouvons nous voulons tendre vers un fichier biométrique. Il faudrait d'abord supposer avoir sa carte être enregistré pour que on puisse savoir si vraiment les votes de témoignage a été toujours à la base des conflits au moment des, des, élections. rapidement, vous avez euh, secondes. Ce que je voulais dire, c'est qu'il ne faut, pas, il faut pas confondre les deux choses. Hein. C'est-à-dire qu'en même temps que la, euh, la, CENI est en train de superviser ces violences foraines-là, il y a la délivrance des paix d'état civil normal au niveau des maternités et tout ça là, et qu'on sort. C'est-à-dire que la CENI a la tâche d'organiser les prochaines élections. Et donc, pour qu'on organise les prochaines élections, il faut que l'essentiel, en tout cas... mais pourquoi ne pas mettre en place un comité pour le faire Non, mais il y a, y a, un comité qui est chargé de ces élections-là au niveau de la CENI. Il y a un comité qui supervise la, la délivrance de ces pièces d'état civil. Le problème, c'est que pour la CENI, il ne faut pas qu'on arrive à 2021 et que sous le prétexte que la CENI doit se désengager, on arrive à un point où on va retourner, on va constater en 2020 que encore Beaucoup de Nigériens n'ont pas de pièce d'état civil et ça va être une catastrophe. Alors que pour la CENI, c'est de recenser des gens, le de d'état Il y en a qui ne sont pas majeurs aujourd'hui, qui ne peuvent pas voter, mais qui peut-être que dans deux ans, ils seront, ils seront en âge de voter et ils pourront. Euh, euh, le but, c'est ça en fait. Faire en sorte que la chose puisse s'accélérer. Et pour moi, c'est. Pour moi, c'est une question de souveraineté nationale. Il ne faut pas attendre que l'extérieur puisse financer. Il faut que sur fond propre, nous puissions faire, parce que c'est ça un État, nous puissions faire en sorte que nos citoyens puissent avoir des pièces d'État civil. Disport, disport à présent dans ce forum sur les cinq équipes africaines aux phases finales de la Coupe du Monde euh, Russie 2018. Seuls le Sénégal et le Nigeria ont pu décrocher leur euh, première victoire. Les Lions de la Teranga ont battu les Polonais de, par deux buts à en présence euh, du président sénégalais Macky Sall. Le Nigeria, lui, vient de battre l'Islande 2 euh, buts à 0 euh, cet après-midi même. Le Maroc, la Tunisie et l'Égypte filent un mauvais coton avec des défaites. Issa Madougou, quelle analyse faites-vous de la participation africaine à la mondiale, à la Coupe du Monde Russie 2018 rapidement Je crois bien que les premières apparitions, hormis le Sénégal, nous ont un peu déçus par, par rapport à la prestation et deuxièmement aussi avec la deuxième apparition du, Maroc et, de De l'Égypte, euh, oui, ça encore c'est l'élimination. Mais on sait que un gros travail doit être fait. Mais maintenant, nous fondons notre espoir. Peut-être qu'il y avait eu des erreurs de coaching au départ, parce que le Nigeria, quand on, on regarde le premier match avec le match d'aujourd'hui, on sait que le Gernot Rod a peut rater peut-être le vrai classement du départ. Mais quand même, aujourd'hui, on a vu des joueurs très engagés et qui n'ont pas cette, euh, complexité de jouer à face d'une grande équipe ou bien une équipe qui peut les battre. On a vu vraiment des joueurs qui se sont battus sur le terrain et qui ont vraiment procurer le bonheur à tout un continent. Il reste les autres. Peut-être qu'avec euh, le Sénégal, on sait qu'on a confiance en eux. Ils doivent encore redoubler d'efforts. Je pense que si cela l'a dit, il faut, quand on joue, il faut imposer son rythme à l'adversaire. Il ne faut pas aussi se dire que euh, ils, sont forts, ils sont meilleurs que nous. Non, on n'est plus meilleur que eux, on va le démontrer. C'est comme ça. Peut-être la Tunisie aussi, même malgré sa défaite, on attend que les Tunisiens puissent mourir parce que le Nigeria a fait ce euh, un remontada, si on peut le dire ainsi. Il a <laughs> ah, été bah, gagné. Ah, bah, euh, qu'est-ce qui n'a pas véritablement marché au niveau du Maroc, de l'Égypte et, du le Maroc Écoutez, moi je pense que ce mondial, c'est un problème d'effectifs. Euh, à tous les niveaux, euh, les grandes équipes euh, pour lesquelles ça ne marche pas, à mon avis, ils ont un problème d'effectifs. Euh, un problème d'effectifs, ça c'est autrement dit des joueurs de haut niveau. Hier, la Croatie a battu l'Argentine le, 3-0 et les gens s'en étonnent. Mais au vu de la composition de l'équipe de, de, la Croatie, il n'y a rien euh, qui prouve que cette équipe ne va pas aller très loin. Il y a l'extrême jeunesse, il y a l'extrême jeunesse, mais aussi des joueurs qui jouent dans des grands clubs. C'est euh, des joueurs Modric qui joue à Barcelone, à, Real Madrid, euh, Rakitic qui joue, qui joue à Barcelone, qui d'autres qui jouent. C'est des joueurs qui jouent dans les plus gros grands clubs du, du, du monde. Et il ne faut pas se leurrer. C'est-à-dire euh, la plupart, l'exploit le, du, du, du, Sénégal n'est pas dû à autre chose que euh, la compétitivité. Euh, le travail. non, les, les, joueurs qui composent cette équipe sont des joueurs qui jouent dans des grands clubs et qui sont souvent titulaires. Mané, il est deuxième meilleur joueur du continent trois détonants il Donc, c'est cela qu'il faut retenir. C'est vraiment aussi simple que ça. Celui qui veut aller loin doit avoir de très bons joueurs et en forme en ce moment précis. Donc, pour la, pas moi je suis pas très surpris que la Tunisie se comporte de cette manière et que la Tunisie soit éliminée, que le Maroc soit éliminé. Je sais qu'en Afrique c'est une très grande équipe, mais ils jouent où les joueurs euh, marocains n'est-ce pas C'est de cela qu'il s'agit. L'Égypte. L'Égypte est une très bonne, bonne, équipe sur le continent africain. À part Salah, qui est le meilleur joueur africain, les autres, ils jouent où donc, quand tu as affaire à un Ronaldo, ou à un Messi, ou à un Neymar, mais c'est normal, un joueur qui a 60 matchs dans les jambes, un joueur qui n'a même pas 20 dans les jambes, ne peuvent pas avoir le même résultat. C'est comme pourquoi nous, on ne s'est pas qualifié, à votre avis. Devant le Sénégal, on ne peut pas se qualifier, il ne faut pas se leurrer. C'est pourquoi la solution pour le football africain, c'est d'intensifier la formation. Aujourd'hui, c'est le secret du Sénégal. Je l'avais dit depuis deux ans à Hassimi que dans dix ans, le Sénégal, on ne va même pas arriver à leur talent parce qu'il y a un travail de fourmi et professionnel au plan de la formation qui est en train d'être fait et par des joueurs qui ont été de très grands joueurs au niveau, de niveau mondial et qui sont en train de former. Et il y a quelque chose qui bloque les pays africains. Malheureusement, le fait de dire que les joueurs ne quittent pas le continent avant l'âge de 18 ans. Avant, les, Eto et autres sont allés avant l'âge de 18 ans. Donc, ils finissent dans des centres de très haut niveau leur formation. Mais à 18 ans, les eaux sont déjà durs, le joueur est junior, ainsi de suite. Donc c'est cela que notre problème, c'est la formation. Ce n'est pas étonnant notre meilleur espoir, c'est le Sénégal et le Nigeria, et il faut voir la composition. C'est des joueurs qui jouent à Chelsea, c'est des joueurs qui jouent en Ligue 1. Gare Amadou, Gare Amadou, comment faire pour rehausser le niveau des équipes africaines Oui, c'est ce que Arimi vient de dire. Vous savez, par exemple, pour le cas de l'Égypte, l'Égypte, la plupart des joueurs, c'est le Zamalek, c'est le National Alali les joueurs qui jouent sur le. Sur le sur il y a Salah, il y a Salah. Oui, mais Salah ne fait pas faire gagner une équipe. Ah, d'abord, Salah revient de blessure ça revient de blessure. Ensuite, on se rend compte que, en réalité, toute la stratégie de l'Égypte se posait sur Salah. Mais comment Salah, quelqu'un qui est physiquement dominé d'ailleurs, peut, peut, faire inverser un match C'est la même chose pour l'Argentine. Mais si seul ne peut pas faire gagner l'Argentine, c'est pas possible. Et surtout que le meilleur buteur du calcio n'a pas été sélectionné. Une erreur extrêmement lamentable pour l'Argentine. Donc, vous voyez, les pays africains, par exemple le Niger, si vous demandez les professionnels, c'est qui à part, à part Mazou, à part Denis, bon, qui n'est plus, je crois, sélectionné, je ne sais pas. Mm. Voilà. alors, qui, Mazou seul. On a un football minable. Et quand on a un football qui ne va pas loin, quand on regardez ce que le Burkina fait. Avec les Pitropa et Kossor, là, qui vont à, qui, jouent à l'extérieur, L'équipe du Burkina est une grande équipe. C'est vrai, ils ne sont pas partis au mondial, mais c'est une grande équipe. Le Mali, c'est la même chose. C'est Keita qui est parti jusqu'à Barça donc quand vous avez des grands professionnels, ça motive et ça, donne une grande équipe. Mais quand vous avez des, joueurs qui jouent sur le sol national, ça ne peut pas marcher. Aujourd'hui, je vous dis, le Maroc a été victime de justice. Pour moi, lors du dernier match, ils ont joué, l'arbitre n'a pas été clément. Aujourd'hui, c'est l'autre espoir, c'est sur le Sénégal qui joue décomplexé. Et le Nigeria aujourd'hui qui a montré que non, ils n'ont peur de personne. Voilà, nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangou. Merci à nos invités Abachari Arimi de la radio alternative, Garé Amadou du quotidien La Nation et Issa Madougou, journaliste à la radio et télévision Ténéré. Merci aussi euh, les auditeurs pour votre fidélité au programme du studio Kalangou. Rendez-vous samedi et dimanche de 17h15 avec Rakia Arimi pour le forum en Hausa et Balkis Hamidou pour le forum entièrement. Elles nous parleront de la mobilisation des femmes dans les formations politiques au Niger. Merci, au revoir.